le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalangou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Vous pouvez suivre les programmes du studio Kalangou à Niamey et dans l'ensemble des chefs des lieux des régions à travers le réseau des radios partenaires. À cela s'ajoutent d'autres localités comme Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes heureux de vous retrouver ce vendredi 20 janvier 2017 pour décrypter l'actualité de la semaine qui s'achève. Ce décryptage, c'est avec des confrères de la presse nationale. Nos invités aujourd'hui, à ma droite, a Suleiman Mohamed du journal Le Républicain. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Merci d'être là. Et à ma gauche, il y a Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Hussein d'être venu. Bonsoir. Et enfin, il y a Jafar Mahman, qui est le directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. L'actualité cette semaine est dominée par l'investiture tout à l'heure du 45e président élu des États-Unis, qui est finalement le président. Il remplace ainsi le démocrate Barack Obama après huit ans de pouvoir. Je veux parler de Donald Trump. L'entrée en fonction de Donald Trump suscite beaucoup de commentaires et même d'inquiétudes en Amérique et dans le reste du monde en marge de l'événement, des manifestants opposés à sa politique ont cassé des vitres et du mobilier urbain dans les rues de Washington, nous apprend Jeune Afrique. Et puis, nous allons parler de la Gambie, où la situation est tendue. Le président sortant Yahya jammeh dont le mandat expiré hier à partir de minuit, refuse de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow L'ultime médiation est revenue au président guinéen Alpha Condé qui doit le convaincre à lâcher du lest en cas de refus de laisser le pouvoir. Eh bien, les troupes ouest-africaines se tiennent déjà prêtes à intervenir pour le chasser. L'actualité de la semaine nationale, le Premier ministre Brigitte a officiellement lancé lundi le plan de réponse humanitaire 2017 pour le 1,5 million de personnes vulnérables ont été enregistrées par les organisations humanitaires, dont 340 000 dans la région de Difa, L'argent à mobiliser pour faire face à ces défis est estimé à 136 milliards de francs CFA, dont la moitié pour DIFA. Le syndicat national des agents des impôts, Sinaï, fustule ce qu'il appelle l'indifférence des autorités face à sa plateforme revocative. Le syndicat dit aussi regretter l'échec des négociations qui devaient commencer lundi avec le ministre des Finances. Nous allons aussi parler des employés renvoyés de la CNPC. Et vers la fin, nous allons parler de nous-mêmes, c'est-à-dire du studio Kalangu qui a fêté mercredi son premier anniversaire. Les programmes du studio Kalangu sont basés sur une information factuelle, neutre et rigoureuse. Chers invités, vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, les États-Unis d'Amérique viennent à l'instant d'investir, euh, d'investir leur nouveau président le 45e président élu, le républicain Donald Trump, qui remplace ainsi le démocrate Barack Obama après huit années passées à la Maison-Blanche. Obama et Trump, c'est deux styles différents. Autant le premier a fait naître beaucoup d'espoir pour la justice, la paix, la démocratie à son arrivée, autant l'entrée en fonction du second, Donald Trump suscite beaucoup de commentaires et même des inquiétudes d'une bonne partie de l'Amérique et du reste du monde, tant ses idées sur la migration ou encore la sécurité dérangent plus d'un les Noirs américains et les migrants originaires d'Afrique subsaharienne se sentent les plus visés. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter de l'arrivée de Trump au pouvoir C'est la question que je vais poser. Et je vais commencer par Suleiman qui connaît bien les États-Unis. Trump au pouvoir, un républicain considéré comme... Euh, iconoclaste, j'ai entendu quelqu'un lancer le, mot iconoclaste. Euh, franchement, je pense que c'est tout à fait normal. Le monde entier est surpris, en tout cas, dans tous les cas, les experts, les instituts de, sondage, tout le monde a été pris de court. Justement, c'était une surprise générale que ce monsieur, en tout cas, vienne, euh, à la, euh, en tout cas, puisse battre euh, Clinton. Dans tous les cas, franchement, le monde est inquiet parce que Trump semble un peu vraiment, il est imprévisible. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes sur les valeurs des États-Unis, par exemple la question de la femme, il euh, menace les médias. Vous voyez ces rapports avec euh, euh, tout le monde pratiquement. On voit par exemple, euh, j'aurais appris qu'avec l'Institut, il a décidé de retirer les cartes de presse des, des, des, journalistes au niveau de la Maison Blanche. bref, je pense franchement, il y a des réelles inquiétudes, vous l'avez dit, autant son profil Obama c'est vraiment deux monde, deux mondes vraiment différents. Mais je pense qu'il faut faire avec. Peut-être que d'aucuns pense que c'était des annonces euh, de campagne. Peut-être maintenant il est tenu parce que quand même euh, euh, le plus important c'est que la constitution américaine fait obligation. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, euh, mais franchement, je suis d'accord avec vous. Euh, c'est vraiment assez inquiétant pour le monde. Vous êtes inquiet. Parce vous, connaissez quand même le, mais absolument, absolument. Tout le monde, par exemple, euh, on voit au niveau des, des, grandes questions internationales euh, les relations, en tout cas, ils risque de bousculer tout. Donc, c'est les Américains qui l'ont élu, peut-être c'est leur vœu. Euh, vous savez, en fait, les, Américains ont une façon de lire euh, euh, au niveau du, vote populaire. Tout le monde sait qu'il il arrive, vient avoir lui. Mais vous voyez, cela veut dire qu'il y a un monde important parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi, on, dit qu'il est, en tout cas, son, truc c'est de 40%. On voit par exemple aujourd'hui encore à toutes les grandes vedettes au niveau des artistes ont refusé de venir à son truc. Ça, veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que déjà, dès le début, il a une opinion importante américaine euh, contre lui. Donc il doit il y a même eu des casses, euh, hein des euh, casses, vous voyez, des manifestations. Effectivement, que 45 permis de, manifester, en tout cas contre lui, sont autorisés aujourd'hui même quoi, au niveau de, Washington. Cela veut dire que vraiment, il est mal parti. D'accord. <laughs> est-ce que vous, vous êtes inquiet du, fait que Trump soit président C'est quand même le choix des Américains. C'est un choix libre, c'est un choix indépendant. Je ne vois pas en quoi je vais être inquiété par rapport à l'élection de ce monsieur. C'est les Américains qui l'ont élu. Mais ce que je sais un peu de la politique américaine, c'est qu'on a beau être président, c'est que on ne peut pas imposer. Parce que tout simplement, il y a le Congrès. C'est quand même le président. C'est le président, oui, bien sûr, mais bien sûr, il y, a des, mesures quand on veut les mettre en œuvre. Parce que ce monsieur, pendant pratiquement euh, toute la campagne électorale, il a menacé de faire ceci, cela. Mais quelque part, il n'a pas tenu compte que quand il a été élu, parce que euh, un peu la, différence entre le système américain et ce qui se vit dans nos pays, c'est que le Congrès et, machin, et comme avait dit, ils peuvent faire en sorte que quand on veut mettre des politiques le président ne peut pas. Le Congrès est dominé par des républicains. Mais c'est pas pas parce que c'est des républicains, parce que ces républicains-là, ils assument des valeurs. Il y a la Constitution des États-Unis qui est là, que personne ne peut modifier. Quand des choses sont inscrites dans la Constitution, personne ne peut les modifier. Il faut que ça soit de manière unanime. Et on fait généralement des rajouts. Voilà le problème. Il a fait des effets d'annonce. Il a dit qu'il va mettre un mur. Et dès qu'il va faire déplacer, et, comme avait l'ambassade des, États-Unis à Jérusalem. au niveau, comme avait dit il veut remettre en cause. Ses relations avec la Chine sont très tendues déjà. Il veut remettre en cause un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs. Et moi, je ne pense pas que les républicains puissent le suivre, même au niveau du Congrès. Il est actuellement élu et investi, mais je suis convaincu que face à la réalité, il va reculer par rapport à tout ce qu'il a dit. D'accord. est-ce qu'il va reculer par rapport à ce qu'il a dit pendant la campagne électorale Je pense qu'il a déjà, il a, il a déjà commencé à reculer. Euh, vous, vous avez euh, peut-être euh, à l'esprit l'affaire de le procès que qu'il avait tenté de mener par rapport à son non même pas, il contre dit d'abord et puis par euh, les frais qu'il devrait verser à une université qui porte son nom. Ou pendant la campagne, il dit qu'il ne va pas verser, il ne va pas faire un procès. Ce ne sont pas du mensonge, sais que ce qu'on lui reproche, euh, ce qu'on lui reproche, c'est des mensonges, Mais déjà, quand il est élu, avant même qu'on en arrive à cette investiture, il s'est retranché sur les deux questions. La question de l'université qui porte son nom et puis la question de la poursuite contre Hillary. Ça veut dire qu'il y a le discours populiste et il y a la réalité du pouvoir qu'on qu est obligé d'incarner. Eh, eh. Maintenant, parlant de son élection, moi j'ai dit que euh, ça me fait ressortir trois leçons. D'abord, euh, c'est une élection conjoncturelle, dans un contexte de peur contre l'extérieur, contre le terrorisme, contre euh, la crise de l'emploi, contre le flux de réfugiés, et il faut par tous les moyens trouver quelqu'un qui épouse des idées conservatrices, peu importe euh, la valeur diplomatique et, cette bureaucratie euh, qu'incarnent les autres leaders, euh, les autres mmh. candidats américains comme Hillary Clinton. Aujourd'hui, c'est une question de peur, ce n'est plus. On sent que l'Europe, ou du moins l'Occident, veut vers plus un choix, de un choix passionné qu'un choix de raison, puisque même si euh, faire le choix pour puisse, que vous estimez qui peut vous protéger de la peur et un choix de raison, mais quand même on mais Seulement le dit, les Américains, si on tient, compte du vote populaire, euh, il arrive quand même à la remporter. Oui, ça c'est aussi un débat sur le sur la. C'est pour cela euh, depuis cette élection, je ne cesse de dire que au moins on a une leçon à tirer et on peut regarder les Américains droit dans les yeux en se disant que vous avez une vieille démocratie, mais elle est, elle est en train de prendre des coups puisque quand on voit, on dit démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et qu'une minorité puisse battre la majorité et élire un président, quel qu'en soit le chemin, j'ai dit que cette définition de, la démocratie, l'Amérique, euh, en tout cas, l'a modifiée. Maintenant, la leçon peut-être qu'on peut tirer, le rapport des États-Unis vers euh, l'Afrique ou la diplomatie. Justement, de l'Afrique. Justement, moi je dis qu'il euh, euh, y a plus une crainte s'y poser. Mais quand on écoute Trump, il essaye de sécuriser l'économie, le, les fonds américains, en, faisant quoi En optant pour ne pas aller sur tous les fronts des, problèmes, comme ils disent, des problèmes des autres, euh, des autres pays. Et là, je pense que quelque part, les Africains ont réclamé euh, ce, cet état de fait. On constate de plus en plus que, euh, pour moi, on va revenir Trump. on peut approcher Trump, et, Trump et, jamais. On peut rapprocher Trump et jamais. Mais puisque il y a toujours l'inverse qui s'est fait, c'est quoi C'est que la, l'homme politique incarne, le candidat qui euh, l'Afrique, il faut qu'il soit dans la, dans l'escarcelle de l'Occident et en même temps tenter de convaincre son peuple. Alors qu'on voit en, en Occident qu'on doit convaincre son peuple seulement. On va revenir avec Ousseini par rapport à l'Afrique trompe l'Afrique, euh, est-ce qu'il y aura quelque chose qui peut changer Moi, Prenons le cas du Niger. Euh, on sait qu'avec Obama, il y a Agoua, il y a beaucoup de fonds. le Niger a eu beaucoup de rapports. Savez, hein. Tout ce qui a été mis en place là, par rapport un peu aux relations, ce pas des choses qu'on peut remettre en cause comme ça du jour au lendemain parce qu'on est devenu président. Ce n'est pas à lui de décider qu'on va remettre en cause l'Agoua. Ce n'est pas à lui de remettre en cause les relations diplomatiques entre l'Afrique et les autres pays. D'accord, c'est lui le nouveau président. Mais comme je viens de le dire, c'est qu'il y a le Sénat, il y a le Congrès. Il ne peut pas décider lui seul de dire, bon, à partir de ce moment, j'arrête. Obama a été bloqué par rapport à certaines politiques publiques qu'il a voulu mettre en œuvre. Ça a été difficile pour lui de. Ça a été très difficile pour lui de pouvoir mettre ces politiques-là en œuvre. Et la différence, la différence fondamentalement, c'est que dans ces pays, les, pays comment dire, où il y a des vieilles traditions euh, démocratiques, c'est que la pression de ces chambres peut faire en sorte qu'un président, par rapport à la politique que tu veux mettre en œuvre, c'est que les gens te bloquent systématiquement. En tant que président, tu as une minorité de blocage. Donc il n'y a pas raison de s'inquiéter Moi, je ne vois pas, mais je suis en train de dire. Je suis en train de dire, parce que tout simplement, quand les gens disent les relations entre les États-Unis et l'Afrique, tout ça, les relations entre. L'Afrique, c'est quand même un continent. De la même manière, on peut prendre le Niger pour illustrer. Le Niger, c'est un pays. Les <laughs> États-Unis et le Niger, par exemple. Souleymane Mais euh, pour l'Afrique, je pense que pour le moment, on, est prudent, mais il y, a un incident, si ça euh, s'est confirmé, Trump allait recevoir euh, le premier chef d'État, c'était Sassou ce qui était annoncé. Et ça allait être assez indicateur de ce que ça allait être. Mais je pense que, comme l'a dit Hussein, par exemple, Obama a fait un truc très important que peut-être les gens ignorent, le, Yali, la, la, promotion des jeunes leaders africains. c'était vraiment une vision pour permettre, euh, face aux défis en Afrique, en tout cas de la gouvernance, il amène chaque année un millier de, jeunes gens qu'ils amène dans des universités américaines pour leur inculquer des valeurs et ils mettent des moyens. Ça, c'est un acquis fondamental. Est-ce Trump va le, laisser Vous ne pensez pas. Mais je pense, comme euh, tout le monde le sait, la politique étrangère, euh, que ce soit de la France ou bien des États-Unis, c'est pas un truc qu'on peut, comme ça, après un coup de euh, tête, échanger. Mais je pense que nous sommes très, très, en tout cas, inquiets sur, pas seulement en Afrique, pour le monde entier. Quand on voit par exemple, il euh, n'hésitent pas à menacer euh, la, la, Chine, et aussi l'Iran. Ça, ça, pose par exemple sur, euh, sur les religieux, par exemple sur les, sur les musulmans. Euh, J'avoue qu'il met en cause beaucoup, beaucoup de choses. Et bon, on pense que ce n'est que juste un populiste qui a là maintenant sur le président qui vient de commencer aujourd'hui. Alors, tout de suite, Jafar parlait de la Gambie. Nous allons aller en Gambie où la CDAO fait tout pour amener le président sortant Yaya Djamé à quitter le pouvoir avant qu'elle n'intervienne. Alors l'ultime médiation est revenue au président guinéen Alpha Condé qui doit tout faire pour le raisonner, lui Djamé, c'est-à-dire qu'il doit céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Des troupes ouest-africaines sont déjà dans Gambie et se tiennent prêtes à intervenir en cas d'échec de ces négociations. Avant vos commentaires, nous allons suivre l'analyse du professeur Ado Hamman de l'Université d'Ottawa. Je pense que c'est une opération qu'il faut mener avec beaucoup de prudence parce que si on le fait pour la Gambie, on n'a plus de choix. La CDAO et l'Union africaine ont l'obligation de le faire désormais pour chaque chef d'État, quel que soit le pays, qui refuse de reconnaître les élections. Est-ce que demain, si un pays puissant, très puissant, refuse de céder le pouvoir et de reconnaître les élections, est-ce que la CDAO et l'Union africaine ont le moyen de le faire. Parce que cette intervention va faire jurisprudence et ils n'auront plus le choix de ne pas le faire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils vont le faire à l'égard de n'importe quel pays qui refuse de reconnaître des élections ou qui prolonge illégalement son mandat. Peut-être il faut mobiliser les moyens internes qui vont contraindre Yaya Jamais à abandonner le pouvoir lui-même. Voilà, le professeur Ado Mohamed de l'université de Tawa, Jafar Maman, euh, directeur de publication du journal indépendant. Vous, parliez tantôt de, la Gambie, vous faites le lien entre Trump et Djamé. Ah vous venez de suivre le commentaire, l'analyse du professeur Ado Mohamed. Qu'est-ce que vous pensez de cette je, Je, je, m'inscris totalement dans, les idées de... Vous êtes dans la logique de, la, Non, dans la logique de, Du professeur parce que je me dis, euh, on a connu des élections. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui euh, de son analyse De son analyse, parce qu'il parle de la jurisprudence. Quand il parle de mener cette opération avec beaucoup de, de munici, ça veut dire quoi Ça veut dire réfléchir sur les conséquences à, à, court, moyen et long terme. Est-ce qu'en faisant partir Yaya Jani, euh, ça, ça, ça s'inscrit, l'action s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence Ça veut dire que c'est devenu la règle de la CDAO et de l'Union Désormais, quand il y a de mauvaises élections et que le président s'entête, voilà. la, CDAO doit intervenir. Justement. Et le débat est là. Aujourd'hui, euh, dans le contexte de Yaya Djamé, Yaya Djamé n'est pas propre dans sa diplomatie et dans, dans ses manières de faire en tant que président d'un pays. Mais il faut se dire que euh, cette situation peut être appliquée subjectivement à d'autres chefs d'État. Ça dépend, c'est pour cela quand je vous faisais les liens entre Trump et, Jamé, je parle de la diplomatie. On sait que si dans des grandes puissances, le président peut être le plus écarté de la morale sociale, si le citoyen l'accepte, il est le président légitimement élu. Dans le contexte africain, le président doit incarner des valeurs diplomatiques euh, acceptées par une partie de la communauté internationale, ensuite son pays, dans ce contexte-là, on risque d'amener la CDAO à être une, euh, sorte d'instrument d'acceptation de, la politique de la communauté internationale. une chose est sûre, la CDAO est prête à intervenir. Bel et bien, la CDAO, et je, j'aurais voulu entendre la CDAO dans, le cadre, dans le cadre de la, de, Est-ce que c'est, vraiment, pour, vraiment pour la démocratie ou pour autre chose, parce que la euh. Guinée, enfin la Gambie, c'est un petit pays, on peut facilement le démolir. Moi, j'ai dit, il y a d'autres raisons qui, moi, j'ai nous, dit, connaissons pas. Euh, je, fais un rapprochement peut-être par extrapolation avec le cas du, Niger en, 2010, quand le président Tanja s'est retranché sur lui-même en voulant euh, contre toute la communauté internationale, CDAO, UMOA, Union africaine, la communauté, l'ONU et autres, pour faire son projet de Tazarti. Et son erreur, c'était de se refermer sur lui-même. Et il a ouvert une brèche diplomatique qui, lui a, qui a permis de le faire partir. Aujourd'hui, la situation qu'avait utilisée Tanja, on la voit dans, certains pays. dans certains pays comme la Burundi, Burundi. où il y a même plus de morts que chez jamais. Non, ah, c'est pas, la Justement, c'est pour cela que j'ai dit qu'on doit faire très, très attention puisqu'on a comme l'impression que l'activisme de la CDAO risque de l'amener à la différence de la CEMAC et autres regroupements sous-régionaux, de l'amener à être un instrument euh, qui consiste à travestir les, idéaux des peuples. Merci beaucoup, Jafar, pour ce. Hussein Issa, journaliste indépendant. Est-ce que euh, il faut la CDAO doit intervenir, euh, en intervenir, Gambie Intervenir comment euh, pour défendre la démocratie parce qu'il y a un président élu. Pour défendre quelle démocratie Parce que non. Il y a eu des élections. Euh, non, il a d'accord, d'accord, d'accord, Et c'était quoi le problème C'est que le nouveau président élu et son clan, c'est qu'ils n'ont même pas attendu que l'investiture se fasse. Ils se sont mis. ils, ont attendu la fin du mandat de Yaya Djamé, comme le dit la Constitution. Mais bien sûr, mais je veux dire, c'est quoi qui a fait rétracter Yaya Djamé C'était les menaces. Imaginez quelqu'un qui est encore au pouvoir, <clears throat> qui dispose de la force publique, qui dispose des forces de défense et de sécurité. Vous vous mettez à le menacer, alors que vous n'avez pas encore la réalité du pouvoir en main. Voilà un PC qui a poussé ce monsieur-là à se durcir et à dire qu'il n'a pas reconnu. Et quelque part, avec aussi la, la Cour constitutionnelle eh, ou du moins la, commission, la, commission électorale, la, commission électorale, la commission électorale qui sort dit avoir fait des erreurs. au lieu de 60 000 voix, en fait, la différence était 20 000 voix. Mais mettez-vous dans la position, dans la posture de ce monsieur, qui a fait quand même beaucoup de mal à beaucoup de Gambiens. Il a fait du mal à beaucoup de Gambiens. Il s'est retrouvé dans une situation où aujourd'hui c'est une question de survie. La CEDAO a mobilisé. La CEDAO dit on va intervenir, même si c'est militairement, à partir du moment où il ne veut pas quitter, on va le déloger de force. Mais le tout n'est pas d'aller avec eh, eh, des militaires pour déloger, mais combien de victimes civiles, combien de victimes. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas céder Non, mais il ne va pas céder. On lui a donné 6 heures. On lui a donné 6 Je n'ai pas suivi les derniers développements de, de, de la situation en Gambie. Oui, mais, on lui a donné. a parlé de jurisprudence, tout comme le professeur. vous, pensez que ça peut mais Bien sûr, ça va faire une jurisprudence parce qu'il y a des pays, c'est sélectif alors. Le comportement de la CEDAO, c'est un comportement sélectif. Merci beaucoup. Comportement sélectif pour vous et... Euh, Suleiman, du Républicain, euh, est-ce que c'est sélectif Est-ce que la je pense que franchement, il faut savoir ce qu'on veut. Il nous faut être conséquent en tant qu'Africains. J'ai fait ce débat, en tout cas, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, j'avoue que je ne suis pas d'accord que. Parce que ce que a jamais a fait, personne ne l'a fait. Tu as reconnu une, ta défaite. Une semaine après, tu viens te réacter parce que tu dis que ta mère est en train de pleurer parce qu'on est en train de te menacer. Voilà. Non. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait là, c'est un précédent dangereux. Alors, sur la base du fait qu'il avait compté sur la bonne foi de la CENI, qui, a, qui s'est rétracté non, en ah, Dans le il y a dans le cadre de le comptage, il a, il a perdu. Donc, en réalité, c'est tout simplement même. du sentimentalisme. Euh, moi, je dis que la question du, du professeur Ado, effectivement, c'est bon de poser de, bonnes questions parce que aujourd'hui, en fait, c'est qui c'est vrai, avant la, le faveur du, du Conseil de sécurité, euh, quand on vient, parce qu'effectivement, la Cour suprême, en tout cas, les experts, euh, les juristes disent qu'il y a un problème de droit. À savoir que jusqu'ici, la question n'est pas réglée au niveau de la Cour suprême. Mais pour moi, je parle du laxisme même de, de la CDAO. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 45 000 Gambiens euh, qui, ont quitté le pays. Et puis, comment, entre nous, si la CDAO vraiment euh, a une certaine vision vraiment dynamique, comment est-ce que vous pouvez en même temps prévoir l'investiture du président élu alors que l'autre, il est en place. Donc, ce n'est pas vraiment la veille qu'on va. vraiment, pour moi, un revers, un revers diplomatique. et ils sont en passe justement euh, un, revers militaire. Est-ce que c'est vraiment pour défendre la démocratie je le crois sincèrement parce que vraiment, je le dis encore, en Afrique, nous avons de mauvaises habitudes. Si on laisse jamais, demain c'est aussi le manière flagrante, quelqu'un va encore dire que on m'a battu, je suis d'accord, mais je ne pars pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va faire une petite pause. Voilà, après les États-Unis, la Gambie, nous revenons chez nous pour dire que le Premier ministre Bizi Janvini a officiellement lancé lundi le plan de réponse humanitaire 2017 pour le Niger. Pour cette année, il se veut une réponse aux cinq problématiques humanitaires, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les inondations et les mouvements des populations déplacées. 1,5 million de personnes vulnérables ont été enregistrées par les organisations humanitaires, dont 340 000 dans la région de Difa. L'argent à mobiliser pour faire face à ces défis est estimé à 136 milliards de francs CFA, dont la moitié doit revenir à DIFA. Le Premier ministre met ici, Brigitte Raffini met l'accent ici sur la situation de DIFA. Le gouvernement, avec votre soutien constant, a pu contenir efficacement la situation, même si à la date d'aujourd'hui, plus de 240 000 déplacés forcés sont toujours dans la région du Difa. L'évolution positive du contexte sécuritaire que l'on observe sur le terrain aujourd'hui favorise et favorisera, j'en suis persuadé, le retour progressif à la situation normale dans cette partie de notre territoire. La crise liée aux activités de Boko Haram affecte aussi l'accès aux services sociaux de base dans la région. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires humanitaires, beaucoup reste à faire pour que l'accès à une éducation de qualité soit garanti à tous les enfants de la région. De même, l'accès à l'eau potable et à la santé nécessite d'importants efforts pour réduire la morbidité et la mortalité dans cette région. Voilà le Premier ministre Brigitte fini lundi dernier au lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2017 pour le Niger. Hussein Issa, journaliste indépendant. Vous, venez de suivre le Premier ministre et vous savez, en matière de situation humanitaire, ce qui se passe au Niger, l'argent mobilisé pour cette année 2017, c'est 136 milliards de francs CFA, dont la moitié doit revenir à DIFA. Et je vous rappelle que l'année passée, il y a à peu près 50% des fonds qui ont été mobilisés. Est-ce que cette année, qu'est-ce qui peut. Il y aura mieux que cela mais je ne peux pas présager qu'il Est-ce qu'on a vraiment lutté Dans tous les cas, la mobilisation des ressources, c'est que c'est les partenaires extérieurs, les donateurs extérieurs. Il y a le bah, Niger aussi qui bah, fait, le gouvernement un effort au niveau du, comme avait dit, la cellule crise alimentaire, tout ça, tous les dispositifs qui existent, ils essaient de faire un effort. Mais je me dis quelque part que c'est une situation conjoncturelle qui est là. C'est une situation, c'est pas structurel, c'est conjoncturelle par rapport à la situation dans la région de l'IFA. Maintenant, tout va dépendre de la capacité, la mobilisation des, des, des, dire, euh, des forces pour pouvoir éradiquer de manière définitive la secte Boko Haram. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement aujourd'hui, il y a des déplacés internes je ne parle pas de ceux qui sont venus, les réfugiés, mais les déplacés qui ont quitté leur village, qui ont laissé leurs moyens de production sur place, qui sont là et qui faillent assister. De manière permanente. Parce que tout simplement, tant qu'ils ne sont pas assistés, ils n'ont pas de moyens de production. Aujourd'hui, les partenaires techniques et les partenaires techniques financiers sont là pour aider le pays à pouvoir relever ces défis-là les Maliens qui sont, euh, comme avait dit, dans, le, le, nord, ouest dans la région de Tilaberi, ils sont toujours sur place depuis 2012. Il y a aussi l'insécurité alimentaire. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a tous ces aspects-là, il y a toutes ces préoccupations, parce qu'on euh, euh, ne peut pas savoir les inondations, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer cette année, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer sur le plan de la production alimentaire. Il faut mobiliser des ressources Maintenant, est-ce que les, ressources qui ont été mobilisées, est-ce que tout a été investi Effectivement, la question est là. On mobilise, on mobilise, on dit voilà ce qu'il faut comme ressources pour pouvoir. C'est des prévisions, c'est des estimations qui sont faites. Le nombre de personnes qu'il faut assister, c'est des prévisions qui sont établies, qui sont élaborées. Mais est-ce qu'on a réellement, quand l'argent est mobilisé, est-ce qu'on injecte tout cet argent-là toute la question est là. Aujourd'hui, les gens ont fait d'eux des assistés. Parce que on doit dépasser ça. On fait d'eux des assistés. Parce que quand ils quittent leur zone. Vous, parlez de la zone de DIFA Pas seulement la zone de DIFA. On peut créer les conditions pour que ces gens puissent se prendre en charge. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, on peut les assister pour qu'ils ne soient pas totalement dépendants de l'assistance des partenaires techniques euh, 136 euh, milliards à mobiliser pour faire face euh, à l'insécurité alimentaire, au problème de DIFA. Oui, moi je pense que euh, on, a, on a fait ce débat il y a quelques, quelques mois quand le, le Premier ministre a visitait les populations déplacées de la région de, de Dufa. avec toujours ce discours et la, réunion au cabinet du Premier ministre avec tous les partenaires du Niger présents à, euh, dans notre pays, et on constate qu'il y a une sorte de larbinisme de l'État. C'est-à-dire il y a une, une sorte de, de, de excusez-moi le terme. C'est-à-dire euh, la question. Et c'est pour cela, euh, Amadou, tu toute ma colère quand je parlais de, de la CDAO. Euh, je me rappelle dans le cadre de la gestion de la crise du bassin du Niger. Il a été formulé au sein de, euh, le, euh, Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait formulé euh, toute une recommandation pour prendre en charge ces questions. D'abord militaire, ensuite Alimentaire. alimentaires, et, autres appuis. Humanitaires de façon générale. et il a été conditionné d'abord à l'époque qu'il y ait une intervention militaire soutenue pour affaiblir drastiquement la menace, euh, la force de Boko Haram. La résolution des nations, cette euh, l'action a été suspendue à une résolution des Nations Unies. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas eu. On a eu une résolution des Nations Unies en moins de 24 heures quand il s'est agi d'aller loger, déloger un chef d'État qui dérange. Euh, voilà. Donc c'est pour vous dire que la gestion de la mobilisation des ressources, euh, on a la commission du bassin du lac qui a mobilisé ses troupes pour aller faire la guerre contre Boko Haram. On peut les associer dans la mobilisation des ressources. Il y a la CDAO, il y a l'UMOA et il y a le partenaire. Mais quelle est la part du Niger Parce que dans le, discours, peut-être, je n'ai pas entendu, euh, euh, sur toute la chaîne à la fin du discours du Premier ministre Brigitte Raffini, mais je n'ai pas entendu où, dans cette fourchette, voilà ce que l'État du Niger va faire. Parce que c'est ça qui conditionne la mobilisation des ressources. Si on se positionne avec sa casserole et on dit on a besoin d'État, et qu'est-ce que vous, faites Et quand on voit le train de vie de l'État sur des questions de futilité, notamment de, services euh, politiquement politiciens, tout juste on, injecte, on crée des dépenses. Et alors qu'il y a des populations qui attendent. Moi, je pense que le Niger peut mobiliser plus de la moitié en, en ayant un regard sensible au niveau du train de vie de l'État. Mm. Euh, euh, est-ce qu'il faut revoir le train de vie de l'État Est-ce que euh, l'État essaie de répondre réellement je... Est-ce qu'on peut mobiliser les 136 milliards aussi Non, je pense qu'il faut être réaliste. il l'a dit, c'est un problème conjoncturel. En réalité, c'est les effets donc, de, de, la lutte contre Boko Haram. Et à ce niveau, reconnaissant que comme l'État fait assez euh, le débat a été fait à l'Assemblée. On sait que le budget, en tout cas, euh, est grévé par euh, la lutte, l'effort pour la lutte contre beaucoup. Ça, c'est un aspect. maintenant, il me paraît évident que le Niger n'a pas les moyens, en tout cas, euh, de prendre en ces, questions lui seul. La démarche, je pense, du Premier ministre, euh, véritablement, mm, que ce soit pour la sécurité alimentaire de façon générale, contrairement au gouvernement précédent, par, euh, par exemple, c'est d'attendre, ils reconnaissent le problème, ils font donc tout à fait des prévisions, ils disent aux, partenaire partenaires, voilà, arrêtez comment on veut être aidé. Mais je pense que ça doit toujours continuer, ça Non, non, je pense qu'à long terme, il me paraît évident qu'on doit être amené à se prendre en charge. Et ça, effectivement, nous sommes un pays en développement. Quand on dit Donc, mais, de l'État, mais, mais je, il y a beaucoup de problèmes, effectivement. Au-delà de cela, par exemple, la, corruption, on parle pas dans ce pays. Que, en réalité, euh, l'argent qui est volatilisé, qui est vraiment détourné euh, par des membres du gouvernement, par des députés, par qui. Euh, vraiment, je pense que c'est aussi la gouvernance qu'il faut attaquer. faut, en tout cas, qui est la solution en tout cas à moyen et long terme sur la question. en tout cas, le peu que nous avons, il faut le gérer rationnellement. Mhm. on va parler de gouvernance toujours pour dire que le ministre des Finances et les syndicats des agents des finances, euh, enfin, les syndicats des agents de l'impôt, des impôts de SNAI sont à couteau tiré. Le SNAI fistule ce qu'il appelle l'indifférence des autorités face à, sa plateforme revendicative issue euh, du 8e congrès ordinaire de février dernier. Le syndicat dit aussi regretter l'échec des négociations qui devaient commencer lundi avec le ministre des Finances qui n'a pas voulu. Je vous propose de suivre Shabiou, euh, euh Abdou. Il s'explique le ministre euh, chargé des Finances qui nous a appelé. Il nous a dit de distinguer les préoccupations de l'administration des préoccupations du syndicat. il a dit que tant qu'on n'arrive pas à faire cette distinction, lui ne va pas nous écouter. D'abord, lorsqu'il est rentré de la salle, il a dit qu'on doit aller très vite, il n'a pas assez de temps. On était même en mission à l'intérieur du pays. Il aurait fallu qu'on écoute notre mission pour entrer à Niamey par respect à sa personne. La distinction qu'il cherche à ce qu'on fasse, nous d'abord, avant d'être syndicalistes, on est des agents des impôts. Comment est-ce que, par exemple, une direction qui n'a pas de carburant pendant des longs mois pour fonctionner. Et que cette même direction a fait toutes les démarches administratives pour qu'elle ait ce carburant-là. Elle n'arrive pas à l'avoir. Les agents qui sont là, comment ils vont faire Nous, t'as passé par les syndicats, maintenant faire une déclaration. En résumé, nous, maintenant, on le sait de lui faire comprendre que la liberté syndicale, elle n'a pas à nous imposer ses idées. Nous avons des exigences qui sont issues de notre huitième congrès qu'on a tenu à Gadez depuis le février 2016. Et nous voulons que toutes ces résolutions et recommandations soient satisfaites dans les plus brefs délais. Soliman, on va continuer avec vous. Vous, avez, vous venez d'écouter le SNAI. Avant le SNAI, il y a eu le SNAD. Et, puis bon, ces revendications qui sont posées, est-ce que vous pensez que bon, c'est dans l'ordre des choses Quand on parle euh, qu'une direction n'a pas de carburant pour une régie financière, je, pense rappelle que, le, secrétaire général du ministère des Finances a un peu répondu. Malheureusement, nous, avons, nous pouvons l'écouter mais il a rejeté de revers de main euh, tout ce qui a été dit. Écoute, euh, moi je suis l'actualité dans ce pays. Je pense que cela c'est la, de la diversion. De la part des de La diversion parce que vous parlez justement du, Sénat, des impôts. tout le monde sait que c'est les deux mamelles en tout cas qui mobilisent l'argent pour, euh, pour l'État. Et le ministre qui est venu, il a vraiment, il est venu avec cette mission effectivement de mobiliser les ressources. Euh, donc, euh, moi, je pense que ces, détails-là doivent être réglés à l'interne. Euh, les questions de, carburant, moi, je pense qu'ils doivent saisir l'occasion pour vraiment faire leur travail. Parce qu'en tant que, en réalité, tout le monde le sait, c'est au niveau des, en tant que citoyen, je dis qu'ils doivent saisir l'occasion, puisque le ministre dit qu'il est venu vraiment faire du bon boulot, que désormais, qu'il puisse en tout cas, s'assumer que tout, ce qui en tout cas, qui est imposable, il n'y aura pas de cadeau. Ils doivent sans merci justement imposer, aux, en tout cas aux hommes d'affaires. Vous voyez, ça c'est un aspect à, leur, niveau. deuxième Au niveau des, agents Oui. Des impôts. C'est qu'effectivement, de leur côté, euh, ils doivent véritablement, en tout cas, parce que tout le monde sait par exemple au niveau de, de, ils font des affaires euh, où vraiment l'État est grigé. Et, euh, je pense que c'est. Donc c'est ça le problème de fond. Non, mais quand je suis de dire que ça là, la question d'audience avec le ministre, c'est vraiment de la diversion. Nous, ce qu'on voudrait, si tant que le ministre est venu mobiliser les ressources, ils doivent l'accompagner maintenant, vraiment régler les détails à, l'interne. Un, autre aspect, ce que je me dis au niveau du de, ministère des Finances, il faut. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Euh, L'État ne peut pas avoir. Le ministre des Finances est venu dire que, par exemple, que c'est les douaniers, 7, pour, 7 ils, vont attraper 10, ils prennent 7, ils donnent 3 à, l'État. De la même façon, au niveau effectivement des impôts, c'est des difficultés comme ça, où vraiment l'État n'arrive pas en tout cas à, on, a peur de, de, de, en tout cas, ceux qui sont censés faire entrer l'agent. L'agent relève qu'une direction n'a pas de carburant pour faire son travail, c'est quand même illustratif comme problème. Je dis que normalement, dans une bonne gouvernance administrative, cela n'a pas sa raison d'être. D'accord. savez, vous, vous en pensez quoi La guerre entre les finances et les. je, pense, je pense tout simplement que euh, le syndicat n'est pas sorti pour exposer les problèmes qu'il a eu à exposer. Le manque de carburant, le manque de véhicules, tout ça, moi j'ai dit c'est un minimum. On parle de mobilisation des recettes internes. Quand les gens n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain pour pouvoir mobiliser, ils ne vont pas venir inventer de toutes pièces que non, euh, euh, ils, ont des problèmes, ils ont tel problème, tel problème, parce qu'on allait leur démontrer que ces problèmes-là sont faux. Et quand j'ai suivi un peu la réaction du ministre qui dit que d'ailleurs, lui, il n'a pas euh, ce syndicat-là comme interlocuteur, il n'est pas leur interlocuteur. c'est le, la direction générale, des, impôts. Mais c'est lui quand même le ministre des tutelles. Et je me pose la question, je me suis posé la question, j'ai dit, mais quand on a à, gérer une entité comme un ministère des Finances, où les régies financières, les régies, c'est la douane, c'est les impôts. Quand il y a des problèmes, c'est vers le ministre qu'ils vont. Ce n'est pas vers la DGI, parce que le DG des de, de, de, finances, et pas des finances, plutôt des impôts. Vous, vous, indexez qui dans, Mais moi, j'indexe, j'ai dit non. J'ai dit c'est une fuite de responsabilité. De la part de qui Du ministre. Du ministre, il, devait, il devait les, écouter. Il devait, laisse-moi finir, il devait les écouter et trouver des solutions, même si dans l'immédiat, parce qu'il a fait le tour de toutes les régies, de tous les services dépendants de son ministère quand il a pris fonction pour dire pour donner des instructions. Quand vous donnez des instructions, créez les conditions pour que l'argent puisse être mobilisé. Mais tant que ce n'est pas fait, eh, les gens vont aller à pied demander au... au, vous avez quelques secondes. Oui, justement, justement, je <laughs> pense que euh, euh, quand on a suivi le ministre euh, dans ses premières sorties à la tête du ministère des Finances, on avait cru qu'il y aura un véritable changement. Et ce changement devrait venir de la gestion administrative, c'est-à-dire euh, de prendre en charge la question d'abord euh, préliminaire euh, des moyens, euh, de la logistique et de la souplesse dans, la, dans, dans le traitement administratif. Ce n'est pas le cas Je pense qu'en soulevant cette question de carburant, ça pose un problème. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que ces questions devraient être gérées dire qu'on n'a pas le temps alors qu'une direction euh, n'a même pas de quoi aller sur le terrain, c'est un véritable problème. Secondo, maintenant il y a la question même de, ce secteur là Rappelez-vous, ce même syndicat a dérangé pratiquement tous les ministres. On ne peut pas me dire que tous les trois ministres ont tort, c'est le syndicat qui a raison. Ça veut dire qu'il faut aussi un sifflet, et je suis d'accord avec lui, qu'il il devrait avoir une marge entre le, fonctionnaire et puis le syndical. Il ne faut pas qu'il ait de euh, mélange de pédales, mm, mais il doit assumer sa responsabilité. Merci, on va finir euh, maintenant avec nous-mêmes. Vous avez quelques secondes pour commenter euh, enfin, l'un du studio Kalangu que vous écoutez certainement. Alors, le programme sont basés sur une information factuelle, neutre et rigoureuse. On vient d'avoir une année Qu'est-ce que vous en pensez rapidement <laughs> oui, oui, rapidement, je pense que euh, ça vient euh, appuyer euh, le travail déjà fait ou qui est fait par les médias, par les médias nigériens et les, autres médias collaborant au Niger. Mais la particularité, c'est que le travail du studio Kalangu, c'est c'est le travail de la proximité. Quand on constate les radios partenaires qui relaient les informations, ça porte loin et ça donne euh, un plus-value à ce travail d'information, de, sensibilisation citoyenne. Qu'est-ce qu'il faut améliorer peut-être euh, Ce qu'il faut améliorer, c'est d'aller loin. Peut-être aller <laughs> avoir plus de, relais à l'intérieur. Et euh, je pense que essayer aussi d'avoir un temps bah, beaucoup de temps d'antenne euh, pour, pour les langues, pour les, autres euh, euh, langues, nationales. quand on voit la population nigérienne, sa composition. Vous savez je pense dans quelques secondes. Oui, bien sûr, je pense que c'est que Kalango a apporté, en tout cas dans l'environnement, comme avait dans le paysage médiatique, c'est que c'est d'abord l'information politique. L'information politique qui est traitée de manière vraiment différenciée il y a une neutralité du point de vue du traitement de l'information, il y a la diversité des sources, mais non seulement il y a cette diversité des sources, mais il y a également la possibilité que Kalangou donne aux régions de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe à Niamey sur le plan de l'information portée aussi le fond de l'information culturelle et tout et tout. Voilà, merci beaucoup. Euh, rapidement. oui, très rapidement. Je pense que ce que j'entends, en tout cas de l'opinion, en parlant de vous, et moi je le constate, c'est votre, en tout cas, un travail professionnel aussi indépendant, c'est aussi très important. Donner l'exemple, euh, en tout cas, aux autres médias parce que je pense que c'est un défi pour la presse euh, nationale. On a besoin en tout cas de, bons exemples et vous êtes un franchement. Merci beaucoup pour ces fleurs. Euh, peut-être on fera mieux l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.